Troisième anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons assisté à un grand défilé animé par les forces de défense et de sécurité et la jeunesse. Je voudrais donc féliciter les jeunes qui ont défilé, surtout les élèves, qui ont bien défilé mais aussi féliciter les majorettes qui, ont, qui nous ont fait donc une grande prestation ici. Féliciter eh, encore les écoles des arts martiaux qui ont fait de grandes démonstrations ici au niveau de, du défilé du 4 avril au niveau de Kungal. Mais aussi féliciter les forces de défense et de sécurité. Mention spéciale à ces forces de défense et de sécurité. En premier chef, l'armée du Sénégal. Comme vous le savez, le 4 avril, la fête de l'indépendance de notre pays, c'est la fête de l'armée et la fête de la jeunesse. L'armée l'a montré aujourd'hui. Je dois remercier tout d'abord le commandant de zone, le COMZONE et le colonel Keïta, qui nous a envoyé un détachement de 25 éléments qui sont là depuis 112 heures et qui ont animé depuis hier. Donc, ce que nous faisons hier la nuit, à savoir donc euh, la course nocturne qu'on appelle communément donc la retraite au flambeau. Ils ont animé hier toute la ville de Kungel. Et aujourd'hui aussi, ils ont fait un grand défilé. Donc, mention spéciale à l'armée du Sénégal. Remercier aussi les autres forces de défense et de sécurité, la gendarmerie, la police. La police, on a vu ce qu'ils ont amené aujourd'hui. Ils ont euh, amené un détachement venant de Corlac, donc félicitations à la police. Remercier aussi les sapeurs-pompiers. Remercier aussi les, le service d'hygiène. On, on remercie encore euh, les ASP aussi qui ont défilé. Donc toutes ces forces de défense de sécurité, je les remercie vraiment, ils ont assuré aujourd'hui avec un grand défilé. Si nous avons organisé ce défilé aujourd'hui, c'est grâce à certaines bonnes volontés. Je ne peux pas citer tout le monde, mais je peux citer quelques-uns. Après cette cérémonie, on va faire des lettres de remerciement qu'on va adresser à ces bonnes volontés qui nous ont appuyés financièrement et matériellement. Je peux nommer les ministres de la région, en l'occurrence euh, le ministre de la Culture Ali Sow, le ministre de l'Urbanisme Abdoulaye Seydou Sow, Madame la présidente du conseil départemental Sosé Diop, Monsieur le maire de la ville de Kungel, Monsieur Aline Badrali, toutes ces bonnes volontés-là ont contribué financièrement avec l'acquisition de quelques frégates, de quelques patrouilleurs pour sécuriser les ressources qu'on a dans la mer parce qu'aujourd'hui, il va de la sécurité du pays. Le Sénégal est un grand pays, une grande démocratie. Pourquoi Parce que le Sénégal a une grande armée. On a une armée républicaine. C'est pourquoi, depuis 63 ans, on est une république une démocratie et ça, ça va continuer grâce à notre armée républicaine. Aujourd'hui, il faut lancer un appel à la population parce qu'on va aller vers le cinquième recensement général de la population et de l'habitat. On va le commencer dès le mois de mai pour le terminer au mois de juin. Donc je voudrais inviter les populations surtout les leaders locaux, les maires, les délégués de quartier, les chefs de village, les imams, les curés, pour sensibiliser les populations, pour aider les gens, recenseurs à faire correctement leur travail. Parce qu'ils voient de, du développement du Sénégal. Parce que ces gens sont là pour dénombrer le nombre de personnes qui vivent dans ce pays et avoir des données fiables, parce que sans ces données fiables, on ne peut pas faire une bonne politique économique. Donc je lance un appel aux populations d'accueillir correctement ces engins recenseurs pour recueillir les différentes données que le gouvernement a besoin. L'autre aspect qu'on peut, c'est que nous sommes dans une année préélectorale. On va vers les élections. L'élection présidentielle de 2024. Et ça, c'est important. Depuis 60 ans, le Sénégal élit son président tous les 5 ans ou bien tous les 7 ans. Et ça, ça va continuer. Donc cette tension, il faut que ça redevienne, il faut que ça baisse. Il faut que ça baisse parce qu'on va choisir le président dans quelques mois. Et ça, ce sont les, ce sont les populations qui vont le faire. C'est pourquoi je voudrais inviter les populations à venir s'inscrire s'ils ne sont pas encore inscrits au niveau des listes électorales. On va lancer le processus dans deux jours, le 6. On va ouvrir donc les listes électorales, ce qu'on appelle la révision exceptionnelle des listes électorales. Donc le 6 après-demain, on va ouvrir les listes électorales pour permettre à tout un chacun de s'inscrire sur les listes électorales. Donc c'est simple pour venir s'inscrire au niveau des commissions qu'on a installées. Les autorités ont déjà installé les commissions il y a une commission au niveau de la préfecture, il y a d'autres commissions au niveau des différentes, euh, au niveau des différents arrondissements. Donc les gens qui n'ont pas encore de carte électeur, parce que souvent ils ont la carte d'identité, mais en recto, on, ne met en général pas inscrit sur les listes électorales. C'est cette carte-là qu'il faut amener au niveau des, euh, des commissions et là, on va vous inscrire pour que demain vous puissiez participer à élire votre président de la République. C'est comme ça le Sénégal. Donc, j'invite donc, toute la population à prendre la population qui ont l'âge de voter, les populations qui ont l'âge de voter, c'est-à-dire à partir de 18 ans. C'est ça. Donc, euh, c'est ça. Donc, je vous, invite vraiment à venir s'inscrire dans les listes électorales. Donc, pour euh, terminer, je voudrais simplement remercier encore, féliciter d'organisation, si aujourd'hui on a organisé ce beau défilé-là, c'est grâce à ce comité d'organisation, à la tête duquel, bon, on a le préfet, mais c'est l'agent souvent qui coordonne les activités, parce que le préfet, il est souvent dans son bureau. Hein. Mais tout le travail, c'est mon agent qui le fait en collaboration avec les, certains chefs de service. Je peux citer les chefs de service qui sont les plus en vue, hein. Kadam, on ne peut pas les citer. Tout le temps, c'est le bypass de l'administration. M. Karam, le chef, donc service, le service des sports. Il y a aussi l'IEF, M. Gueye. Hier, ils étaient là euh, jusqu'à 23h pour régler la tribune officielle. Il y a aussi le chef départemental de, la jeunesse, M. Sou. Il y a aussi d'autres. Il y a aussi Mme Tamara, donc euh, du conseil départemental. Il y a aussi l'agent au M. Ndiaye. Il y a aussi le commissaire, il y a aussi le CV de la gendarmerie. Toutes ces personnes-là ont contribué à l'organisation donc, de ce beau défilé qu'on vient d'assister. Donc, je vous remercie beaucoup de votre aimable attention. Si Olof, donc, était d'Union, du Djemol, di célébrer euh, juróom benn fukki at ak ñett yoo xam Sénégal moom nako ko boppam nak, nag buñ ko defee gis nañ fi un grand défilé loolu lu ko waral mooy ce sont les forces de défense et de sécurité et la jeunesse ñoo assuré défilé bi si loolu ñu leen di sant ñu leen di sant di leen gërëm bu baax a baax surtout les élèves gis nañu élèves ni ñu défilé mucc na ay bu baax a baax ñu ngi féliciter aussi les majorettes gis nañu prestation yi ñu fi def ñu ngi féliciter aussi la communauté Kognaaji gis nañu aussi liggéey bu ñu fi def ak prestation yi ñu fi def loolu mooy wane la richesse euh, de la culture du bambou et du département de Koungheul loolu lu baax le fait que communauté union fait du di défilé pour wane seen Ara. loolu dafa Nous ñu aussi les forces de défense et de sécurité mention spéciale aux forces de défense et de sécurité parce que ren n'est fi vraiment je pense que nous sommes ko gis ci Koungheul Nous avons la police unité détachement bu am solo Nous avons aussi armée nationale Nous remercier aussi le Comzone et le colonel Keita qui ont permis à ñu permettre armée depuis 112 heures ñetti fan ñu la fête de l'indépendance hier la nuit